Hey. Bonsoir et bienvenue sur votre émission Tous à la Fada, le magazine hebdomadaire dédié à la jeunesse nigérienne. Le Tous à la Fada de ce dimanche traitera de la mode. Depuis plusieurs années, les jeunes Nigériens s'intéressent à la mode. Pour rappel, le Niger est une référence de la mode en Afrique avec le Festival international de la mode africaine VIMA, créé en 1998 dans l'imagination de Al Fadi D'ailleurs, cette semaine se tient la 13e édition du FIMA à Niamey, la troisième du festival BEFA s'est également déroulé du 25 au 29 novembre 2021 à Agadez. Selon la promotrice Amina Moudi Salifou, c'est un festival qui met en valeur les tenues traditionnelles du Niger. Il vous souviendra en juin dernier, le styliste Biba Amadou Kounché, dit Mabiba, s'est lancé dans la promotion de la mode éco-responsable avec les sacs et bijoux fabriqués à partir de matériaux recyclés. Vous vous rappelez aussi de l'artiste, du styliste Nika Crea en ce qui concerne le défilé web qu'elle a organisé il y a de cela quelques mois. Et eh oui, styliste, designer, brodeur et j'en passe. Qu'il soit formel ou informel, le secteur de la mode et de la couture emploie des jeunes filles et garçons au Niger, aussi bien en milieu urbain que rural. Cependant, ces jeunes font face à plusieurs difficultés, notamment les préjugés. Quelles sont ces difficultés Comment les surmonter Quel avenir et possibilités d'émerger pour les jeunes du secteur Nous discuterons à des réponses et solutions tout à l'heure avec nos invités présents sur cette émission. Quant à ceux qui écoutent l'émission à travers nos 47 radios partenaires, le thème du jour est ainsi proposé. Les jeunes stylistes au Niger, quels sont leurs défis Nous attendons donc vos avis, vos commentaires et témoignages de 80 06 88 54 pour recevoir nos contenus. Vous pouvez aussi nous envoyer jeune au 80 06 48 54. Tout à la fada. Nous partons pour 35 minutes d'échange avec des intermèdes musicaux. L'artiste s'exprimera dans quelques fractions de minutes. Et Mr. Olivier nous parlera du buzz de la semaine à travers la chronique de l'émission Tout à la fada. Puisque la technique est opérationnelle, il répond au nom de Baby Philippe. Et nos invités sont sur place décollage imminent. Localisation géographique. Nous nous trouvons actuellement au CCFN Jean Rouge. Nika Crea qu'est-ce qui se passe concrètement ici au CCFN Jean Rouge Bonjour, moi je m'appelle Monique Élisée, je suis la promotrice de la marque Nika Crea Nika Crea qui fait de la production de vêtements. Eh, eh, Nika Créa qu'on a déjà une fois reçu sur l'émission, euh, tout ça la fada à travers l'artiste exprime. Effectivement. À Chéri, sur l'émission tout ça la fada parce qu'il faut parler de mode donc elle est présente. Pourquoi nous sommes au CCFN, Jarouche Alors, on est au CCFN à l'occasion du FIMA, le Festival euh, international de la mode africaine. Mhm. Et donc, euh, je tiens un stand et en même temps, je défile euh, durant cette période du FIMA, du 1er au 5 décembre. Donc, 40 femmes en au CCFN, Jarouche. Les jeunes stylistes au Niger, quels sont leurs défis C'est notre thème du jour. À l'instant, vous avez une Créa, Aïchatou Oumarou. Je te souhaite la bienvenue. Merci. Bonjour, je me nomme Aïcha Tourmaron. Euh, bon, je suis dans ce milieu depuis 2009. Dans quel milieu dans le milieu de la, de la mode. Milieu de la et accessoires, tout ce qui est, euh, concerne habillement, la sculpture. Mhm. Euh, je me suis lancée dans ce milieu étant étudiante, parce mhm. qu'étant étudiante, je préparais mhm. ma licence à Bamako, euh, où je m'habillais. Et quand on sort pour des événements étudiantines et autres, surtout, j'y aura la journée de l'étudiant africain que le Mali avait abrité en 2010. C'est de là que les gens sont intéressés à ce que je porte et on me demande, mais pourquoi est-ce que tu ne pas. En ce moment, j'habillais des chaussures mhm. Mhm. en ballerine avec des sacs que j'assortissais parfois avec des jupes taille haute. Mhm. Donc c'est de là on me dit mais qui te couche J'ai dit non, c'est moi-même qui fais ma conception, ma maquette et je le donne à mon tailleur et qui me fait quand même la production. Donc c'est de là que les gens commençaient par me commander et je me suis lancée quand même dans ce domaine depuis lors. Mais euh, en alliant études et la mode en même temps, ça ne m'a pas ça fait partie des difficultés des filles. On va parler de tout ça dans un instant sur cette émission. Rwanda invité Aline Zantafo. ça va Ouais, ça va bien. Vous êtes dans l'organisation du FIMA. Ouais. Donc, euh, la mode au rendez-vous à cette 13e édition. Cette 13e édition. Arango Parame, voilà. Du 1er au 5. Est-ce qu'il y a fourbatoire Nika Créa, Nina Gisintinda. Dene ni se mode définir ici. Matkina no mode gihimanda. to aiwo matkan aiwo ginga explique da daiti hmm. kwai kan ai dan kan ai maka ni kan aigo ah, maibon aigo mm. eh, oh, c'est ça pour moi la mode ne oh, femme voilà pour fo ginga bara pour fo ginga bara sbara scanning c'est mais aigo ah, wokan kane c'est den quoi kan kan c'est kan pour moi c'est ça la mode voilà voilà donc singa définir yakin aginga barme wat kulu en mm, fonction de l'inspiration ça dépend de bora kan no i hasan voilà to zade mm. kan ça dépend de bora namin to nyezo do Il m'a irma déjà nous goy kan modo dernièrement définir définir si oh, bon en fait pour moi la mode c'est ma manière à moi de se vêtir comme euh, l'avait dit précédemment quand même euh, Monique euh, on ne peut pas définir l'art en quelque sorte alors que la mode c'est de l'art et elle peut être originale ou dans le temps donc pour moi c'est ça c'est une manière à moi de m'habiller c'est ce qui fait mon originalité ok donc l'authenticité dans l'habillement c'est ça la mode. C'est ça. Ali. Oui. Vous êtes euh, dans l'organisation du FIMA. Oui, je suis dans l'organisation. On sait que le FIMA, c'est le Festival international de la mode africaine. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve à travers le FIMA Parce que là, on parle de festival et mode. Euh, ce qu'on trouve, c'est beaucoup de choses. D'accord. Parce qu'il y a les rencontres entre les créateurs. Rencontres entre les créateurs. Oui. Il y a les exposants vont profiter de se voir la visibilité. Il y a le défilé en tant que tel. Il y a des concours. Il y le concours de top modèle. Top modèle. Qui va permettre aux créateurs d'être plus euh, actifs mhm. sur le marché de la mode. Il y a en plus euh, les mannequins mhm. qui seront plus vus euh, dans les activités de la mode. D'accord. Donc c'est tout ce qu'on retrouve dans... Ce qu'on retrouve en, en gros okay. dans la mode fuma. Ok. Dans toutes les catégories socio-professionnelles, les difficultés existent. Dans la vôtre, quelles sont ces difficultés ni ka kare ne negi sintinda de kul da hankan bon wozano to no wana nirga to nan to ai wana butikura boy kang talgu c'est des étrangers isba kala Médine locale. local. locale, c'est déjà là parce que tu suis un ergday irmi transformé. Tu suis un ergday quoi, voilà. Donc c'est ça on appelle la transformation dans le milieu de la mode. Donc euh, on transforme du tissu. Maintenant, Borfoyon Igba, 100% médine locale. local. 100% médine locale local, mot, c'est bien, ce sont des pains tissés, c'est bien, mais on on manque de créativité parce que ayo par exemple j'aime beaucoup de couleurs couleurs on kukan couleur bobo ne famo mm. la bara mais dans le médium local couleurs, et se bat dessin et se bat que lin lin lin donc moi j'ai cette difficulté là mm-hmm. et l'autre difficulté il sigi quand kondir bon carré à l'international parce que la, les moyens logistiques sont mm. chada borag din yo agin contacter sur les réseaux sociaux mm-hmm. agbam day mais on mto ado sambayan wono rohine, hinne da afrique no ça va ou bien afrique de l'ouest irgonda compagnie kanga mais da fatta continent wo bon agonda masal kaina parce que quoi yo no ro to transport rohine. hinne hmm. donc euh, on a du mal à vraiment s'ouvrir à l'international igir bay sur les réseaux sociaux mais quoi yen ici ging dans le transport est très très euh, coûteux à part ça bon Ah, ah, a ka jina laba ino problèmes te casquette go do émission go bon bono ba irga be kan no manu ken no en tant que jeune manu ken mo fono misali gair société goga de kar mat kirani gidi aranda. parce que be ka wodiyan bon bon bo da aran go du

Donc du coup, pour moi, je crée aussi sur ma tête. Mm. before kare na i really like your hair yeah, okay. ne ne hein? ne voilà donc mais on s'en fout parce que din wodi ngana ni say kulté ni sba funa une femme voilà donc euh, moi je veux être libre donc liberté maga je fais ce que je veux dans ma tête et je me dis que les gens qui critique, c'est parce que eux ils n'osent pas. Mhm. Ici, d'où nos courage kangate. Ici, mhm. nous igabara, na mhm. là. Oh. Mais ici, du courage kangaté. Comment tu n'as pas manda petit petit de yango karang le défilé. Odu mo iska muzo tarenga gara. Comme vous autres, mais comme je dis, l'art c'est ce que j'aime moi. Une femme, la mode c'est ce que j'aime porter. Si toi tu n'aimes pas, bah écoute, je m'en machin quoi. Va, je vois vraiment tout ça. <laughs> Je préfère mourir incompris que de passer toute ma vie à m'expliquer. Youssouf Anon ici. Donc Nikamo, elle s'est rangée dans cette logique. Elle s'explique pas. Nous, Aïcha Toumarou, est-ce qu'il y a une femme ici Mais ça, les gars, problème, problème, il y a quand nous, en tant que jeune, Weiboro, Kango, Domeno, Kansigine Modra. Merci et de <laughs> m'avoir donné la parole. Euh, bon, euh, je peux dire, moi, je suis dans un, dans un autre secteur. Moi, je me suis spécialisée dans les foires expositions euh, à l'international. Donc, je peux dire, le problème qu'on pose très souvent, c'est le problème de transport puisque tu vas acheter le stand, les prix de stand varient de 300 000 à 1 million et quelques. Et maintenant, si on va dans un autre pays africain bien plus loin, il y a la logistique. Donc pour faire les frais, les frais nous reviennent chers parce que c'est par kilo. Et avec tes propres soins, il n'y a pas d'accompagnement, de structure d'accompagnement qui m'accompagne personnellement. Donc, j'assure toutes mes dépenses, hôtel, billets d'avion, les frais des stands et tout ça, je l'assure personnellement. Mais avec le Covid, jusque, juste avant Covid, moi, je n'ai aucun souci parce que je m'assume pleinement, je ne demande pas d'aide. Mais avec le Covid, ou avec cette histoire du Covid, où les foires, expositions, tout a été interrompu, c'est là où j'ai ressenti plus le besoin de me faire connaître d'abord dans mon pays et chercher le marché local et avoir une représentation. Donc je peux dire c'est le problème que moi j'ai maintenant. Merci Chetou pour ces difficultés. Et, nous allons chercher des solutions dans un instant sur cette émission pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vous accompagner. C'est ça, au fait, si vous voulez, euh, l'objectif en question de cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Monsieur Ali Irkanga, on sait que vous êtes dans l'organisation du film. Vous êtes aussi artiste peintre. Artiste peintre. Alors, dans la peinture, hmm. qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté Parce que c'est aussi une mode, la peinture. Oui, la peinture, c'est une mode. Voilà. Oui. C'est une mode. Parlons de ça, parlons de vos euh, difficultés. C'est une mode. Si on peut dire, euh, c'est à travers la peinture tout est né. Mhm. si, on prend. Euh, mais les difficultés sont nombreuses. Ok. Le, le, premier, c'est comme ce qu'il disait Nika Créa mhm. par rapport au local. Mhm. Parce que les gens ne sont pas habitués au local. Bien sûr. Ouais, Ils veulent ce qui est importé. Hmm. Des fois encore, c'est cette histoire de la jalousie, quoi. Mhm. Toi, tu as acheté, ça vient de France. Moi, il faut que ça vienne de France. Tout à fait. Tu vois un peu. Mais sans chercher à comprendre le fond de, de, l'objet. Mhm. Mais encore, ils sont pas habitués à nos produits. Mhm. Parce qu'il faut habituer. C'est quand tu achètes tu achètes 1, 2, Avec le temps, tu vas commencer à comprendre la qualité et la différence entre celui qui fait ça et l'autre. Voilà. Et d'un côté, nous, on n'a pas les moyens pour faire la communication autour de ce. Ça coûte cher. Un côté encore, eh, on dit que nos produits sont chers. les gens aiment. Ils disent Ah, c'est beau, c'est joli, mais ne peuvent pas acheter. Et là, il y a un hmm. problème. Eh, Ali, on va prendre une petite pause. Vous avez tellement de problèmes dans le domaine de la peinture qu'on ne sait même pas par où commencer. L'artiste s'exprime est une rubrique de l'émission Tout Fada. L'artiste de la semaine, Big Abdel. Et tout de suite, la suite. Le diamant que je ne marre, mon frère. Le diamant qu'il est tard, ma soeur. Le diamant que je ne marre, mon frère. Où que tu sois, ici même ou quelque part. De toi qu'aujourd'hui ou moi j'aurai ma part. Lève ta tête et regarde l'image du ciel. Le jour c'est le soleil et la nuit c'est les étoiles. Après la pluie, c'est le beau temps qui s'installe. Inspirons-nous de ce mystère naturel afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite fille, remercie Seigneur car il a toujours aidé tout ce monde d'ici-bas. Tu voleras quand elle va te plumer les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du septième ciel. Tu goûteras au bon goût du miel. Espère mon frère, garde vous comment on gars. Machallah, il que ça de dire quoi y va. Machallah, il que ça de dire qu'on va. Machallah, il que ça de dire qu'on va. Y'a que vous signe, il que ça de dire qu'on va. Vous, vous, rappelez certainement de l'artiste Bigardel. Le talent y est. Vous l'avez certainement constaté tout à l'heure à travers sa petite prestation artistique. Et ce n'est que la partie visible en question de l'iceberg. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Big Abdel, déjà connu de la jeunesse nigérienne puisqu'il a été diffusé sur 47 radios partenaires. Nous considérons que vous avez cerné l'artiste en 5 minutes hier. Il est toujours présent sur le site du studio Kalango. Allez-y, likez la page studio Kalangu. Partagez, commentez. Aujourd'hui, sur cette émission, on va parler d'abord des débuts. Hier, tu disais que tout a commencé il y a cela cinq ans. C'était à quelle occasion Ça a commencé par un concours que j'ai participé. Ok. Ce concours euh, se nomme Tremplin des jeunes talents. Tremplin des jeunes talents. C'est un concours que le label Abisque Record organise chaque année. Et tu étais lauréate en 2019. C'était en 2019. Ça veut dire qu'en 2019, ce n'était pas ta première participation. C'était ma première participation. En 2019 Oui. Au tremplin Au tremplin des jeunes talents. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu avais présenté au tremplin Ça veut dire qu'avant le tremplin, déjà, tu étais dans l'underground, tu chantais J'étais dans l'underground, ouais, mais pas affiché. Affiché. Tu t'es affiché au tremplin en Qu'est-ce qui t'a permis d'être au sommet au tremplin Oui, parce que c'était euh, le thème même du concours, c'était quoi Le thème de la finale. Euh, pensons aux femmes et aux enfants en temps de guerre ou conflit. Pensons maintenant aux femmes et aux enfants en temps de guerre ou conflit. Ça fait l'actualité parce que l'Afrique, d'une manière ou d'une autre, est secouée. Les pays euh, du Sahel sont aussi touchés par une guerre qui ne dit pas son nom. Pensons à ces enfants dans les coins les plus reculés, les zones en guerre au Niger et au Burkina, en Mauritanie, au Mali. Pensons à eux, chantons pour eux sur cette émission sur le bit. Yeah. Gemshikin gida mata. Yara manyan gobe. Butuna dasu, mukula dasu. Balefa a lokacin yaƙi. Kira nike ga gwamnati. Ku zo fa mu dibi wannan sha'ani. Kungiyoyi masu kulawa ku bari mu ƙara gwiwa. UNICEF nike kira. ONU ce kira. Oui, Hanouda, Hanouda, hannu don famu kare wannan donc du coup c'était un son que tu avais présenté à l'occasion du tremplin qui t'a permis d'être euh, Nambarao. ou non c'est ça c'est ça 2019 après le tremplin qu'est-ce que tu nous as présenté juste après le tremplin j'ai fait espoir Ok, d'accord. Espoir qu'on vient de avoir en début d'émission. Ah, Pourquoi tu as chanté Espoir Oui, parce que dans un premier temps, il faut, il faut qu'on touche l'espoir. Ouais. Sans espoir, on n'y peut rien faire. Oui, tout à fait. Et tant qu'il y a la vie, il y aura toujours de l'espoir. Voilà. Et c'est sans distinction de race, d'ethnie, sans distinction de, de tout, si je peux dire. Parce que tu es humain, tu es conscient tu as besoin d'espoir. Tout simplement. il faut de l'espoir, je suis d'accord avec toi. Tu as plus santé, donner envie aux jeunes de continuer, de dire que garder l'espoir. C'est la vie, c'est un combat. Ouais, ouais, c'est ça. Cool. En dehors d'espoir, tu as pensé à faire quelque chose ou bien tu es rentré tranquillement chez toi et dire que je vais dormir, moi je n'ai plus envie de chanter <laughs> ou bien tu as des projets ben, Ça, c'était juste une partie remise. Juste après Espoir, j'ai officialisé une vidéo nommée Des Dembo qui a vu le jour Oh oui, qui a vu le jour justement. Ok. Parce que c'est un son qui parle de, la femme, à l'offre, Ouais, la femme. Euh, toi, de tu... la femme. tu, as des projets euh, Un album en cours Oui, il y a un album en cours. Ok. Un album de 8 titres. 8 titres. Qui sortira quand exactement bientôt parce que je bientôt pas pas décidé de la date. D'accord. Nous sommes à la fin donc de cette partie qui a parlé de ta musique, de tout ce qui va avec euh, tes projets. Alors Big Abdel, l'instant est solennel l'artiste s'exprime, c'est tout de suite et maintenant. On te donne la possibilité de t'adresser à tout le Niger, l'Afrique et le monde entier. Voilà, merci. Euh, en fait, moi, le message que j'ai à lancer, vraiment, il faut, il faut qu'on, maximise cette consommation. Mhm. Il faut qu'on se déplace d'un moment à un autre pour soutenir l'artiste. Parce que c'est ce que les autres font. Les mhm. autres pays, voilà, si je peux dire. C'est ce qu'ils font pour booster l'artiste. La musique, elle ne s'arrête seulement pas au pays, mhm. mais à l'échelle internationale, parce que grâce à la musique, tu peux sourire des continents. Grâce à la musique, tu peux casser une crise. Grâce à la musique, tu peux faire beaucoup de choses. Alors l'artiste, il a besoin d'une place au sein de la société. Une page Facebook Big Abdel officiel. Un compte YouTube Pareil. Commencez d'abord par le soutenir, mesdames et messieurs en likant, en commentant et en partageant tout ce que Chil fera. Voilà. C'était l'artiste s'exprime dans cette rubrique consacrée à l'art et qui le pratique. Nous sommes sur l'émission Tous la Fada. Nous nous trouvons présentement au CCFN Jean Rouge. Nous parlons, mesdames et messieurs, des jeunes stylistes au Niger. Quels sont leurs défis Nous sommes avec eux, Nika Kriya. Monique Élysée. Nous sommes aussi avec Chaïa Noame. Je suis aussi avec Ali. Ali qui est aussi peintre, il est euh, dans l'organisation, bien évidemment, de la 13e édition du Festival international de la mode africaine. Monique, de quoi avez-vous besoin pour surmonter ces difficultés de pour que ne mir labo mayo katre pour que nous bumboda nous fatte il faut di qu'on ngi proposer ces émissions oh bon den bon wara kam wara kuno ganganir c'est pas zabe ne kalganda ay wona fam ta <laughs> comme Aïcha en a parlé ta dingo koité exposition à l'étranger aujourd'hui irwan capacité financière moi par exemple hein, la capacité financière ai société à capacité financièrement tout monde on a nika créa wana na femme ça permet pas à nika créa de faire plus de deux voyages hors du continent par exemple du coup il est très important que l'état pense à ces jeunes créateurs là amteki ces opportunités au moins même si c'est le transport parce que bien d'avion est eh, produit ay wala na ran se niger jana eh, gondo ko kar ay fam ay fam eh, ay woke fam ay way défilé webodin kan ay hmm. ça m'a donné beaucoup de clients mes clients yan kan ba kwayo kan mo ga hin nek di kwayo i oh. single mbaga zam no kan i gondo kan ga c'est très facile aujourd'hui avec les sociétés de transfert d'argent hmm. mais transfert de colis notre problème notre problème on a masal fono aran se hmm. kwaro ramo hin sar murado te fukaram fata ah aishatu oh. na ma hankan no borocha kai jinafa à ce propos, vos devanciers qui ont une autorité et un large réseau dans le domaine, qu'est-ce qu'ils font pour vous aider à prendre de l'envol Est-ce qu'ils sont là ah. moi, personnellement, je peux pas dire qu'il y a un aîné qui m'a une fois aidé. Non, je nage à mes propres ressources et parfois, si j'ai des difficultés, je fais quand même recours aux parents. Et très souvent, ça revient encore euh, ce problème, comme quoi si tu savais que tu n'allais pas aller travailler dans un bureau, fallait nous le dire, on n'allait pas investir tant dans tes études universitaires. Et pour eux, déjà... Tu peux pas étudier jusqu'à avoir un bac plus 5 et puis retourner ah, et revenir en arrière pour dire comme quoi, tu veux travailler et autres. Ah. Ça, je vais profiter de l'occasion pour remercier un grand frère aîné mhm. qui m'a ouvert euh, la, possibilité quand même, comme tu le sais, Monsieur Lawabou Bakar. Bien sûr. Oui. Il m'a invité à Wassan Africa mhm. pour que je vienne exposer. C'est déjà un grand pas parce qu'il m'envoie le fait de m'inviter, mais tous les voyages ont été à mes propres frères, je le remercie. Si tous les grands frères, les aînés qui sont quand même pouvaient nous aider à tel point, ça pourrait apporter un plus. Parce que c'est pas seulement question d'argent, mais si tu sais que tu es un Nigérien, que tu as un poste qui peut profiter quand même à la jeunesse nigérienne, tu peux quand même les aider à, euh, à une ouverture de certaines portes. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, au Niger, j'ai l'impression que le pour moi, je ne sais pas pour certains, hein, que le gouvernement ne n'accompagne pas les jeunes qui essaient dans, dans la mode, l'artisanat. Allez, Pentiro Dohara, dernièrement, il va résumer en une ou deux phrases. Il faut nous guider c'est pour que affaire Moi, je, euh, pour commencer, euh, je peux dire, hmm. on doit commencer par le local, parce que quand les Nigériens s'investissent plus, hmm. tout ça là, on n'aura pas ce problème là. Si les Nigériens achètent nos produits, tout ce problème-là sera résolu. Et quand notre gouvernement met sa main dans la pâte, tout sera réglé. Ah. Parce que majoritairement, ils connaissent bien un peu l'artisanat, un peu la mode, un mhm. peu, mais ils se retiennent. Donc il y a un problème quelque part. Ah. Puisqu'il y a un problème quelque part, nous allons souffler en musique. Une pause musicale s'impose sur cette émission. Vous connaissez tous la formation Soga. Et ils ont chanté Fima. Qui peut me faire la chanson de Fima pour accompagner euh, Soga à faire son entrée sur l'émission <laughs> On kiffe Fima de la formation Soga et tout de suite la suite. À l'instant T, c'était le groupe Soga. C'était FIMA au cœur de l'émission Tous à la Fada. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Mesdames et messieurs, nous parlons des jeunes stylistes au Niger. Quels sont leurs défis Nous sommes toujours au CCFN Jean Rouge, en compagnie de Nika Kreya. Elle répond au nom de Monique Elise. Nous sommes aussi avec Chaya Aïcha à l'état civil. Nous sommes aussi avec Ali l'artiste. Tous à la Fada, cette émission est consacrée à la jeunesse nigérienne. Vous avez certainement écouté les propos de ces jeunes du début jusqu'ici. Eh, voilà, ils ont des problèmes. Nika Krea, Avec les évolutions et les tendances sans cesse croissantes liées au métier de la mode et de la culture à l'international, est-ce que vous pensez actuellement que les jeunes Nigériens qui sont dans ce domaine sont en mesure de suivre la cadence est-ce que arangingu continuer

C'est là la dynamique actuelle, est-il possible d'imposer euh, nos vêtements et créations hors de nos frontières Bien que vous avez énuméré tous ces problèmes, vous pensez qu'on peut imposer ce que fait Nika ou ce que toi tu crées euh, Je peux aussi dire que surtout pour le Niger, il y a encore beaucoup de potentiel, surtout les jeunes nigériennes, les jeunes nigériens plutôt qui sont à l'extérieur, ils apprécient leurs produits. Parce que je peux dire, il y a un stigmatisme sur le Niger, comme quoi les Nigériens, ils ne savent pas s'ils s'intéressent à l'art, ils ne savent pas s'ils peuvent créer des très belles choses. aussi, très souvent, quand je viens, j'expose, quand les gens voient, ils voient à peu près la côte. Ils disent c'est quel pays Quand tu dis le Niger, on dit ah. Le Niger, vous aimez fabriquer ce genre de choses, surtout tout ce qui est le pain. Je dis bien sûr, dit mais bravo, on ne savait pas que les jeunes Nigériens s'intéressaient tant à l'entrepreneuriat et à l'artisanat parce que pour eux, ils ont l'image des Nigériens, des musulmans, un peu intégristes, qui ne peuvent pas, surtout pour une femme, les jeunes filles qui ne peuvent pas sortir, aller à l'extérieur, imposer, ça dit, font des créations, le présenter aux gens, les imposer. Et à tout moment, quand tu dis c'est le Niger, les gens aiment venir voir, ah, c'est le Niger, c'est le Niger. Tu es sûr, tu es nigérienne? On dit pourquoi? Parce que pour nous, la fille nigérienne, c'est le burqa avec le hijab. On ne peut pas l'avoir aime trop parler. Donc bref, c'est possible. Voilà. Ali, <laughs> oui. est-ce que vous arrivez à exporter votre peinture hors du Niger Oui, c'est ah possible. oui. Comment est-ce que vous arrivez vous à exporter la peinture Dago euh, Bon, de temps en temps, moi je sors dans des festivals. Mhm. Là, on profite pour sortir. Mhm. Voilà. Et encore, il y a, y a des expatriés qui achètent qui sortent avec. Voilà. Tout ça même c'est avec euh, la signature du avec la signature tout ça, oui arrive, voilà oui tu vois oui ah, tout, est possible. mais encore ce qu'on peut rappeler mhm. nous on n'est pas en retard par rapport au monde juste on n'a pas les opportunités comme les autres artistes c'est tout simplement mhm. mais si aujourd'hui on a cette opportunité moi je te dis dans six mois on va remporter beaucoup de choses déjà on a le niveau on a le niveau Mhm. Et encore par rapport à rencontre qu'on voit, quand les, les, artistes viennent au Niger, les échanges qui est toujours fait entre nous, on mhm. nous constatons que soit on est en avance, ou soit on est dans le même niveau. <laughs> Mr. Olivier, il va nous parler un peu du buzz de la semaine. La chronique de l'émission tout à la Fada, c'est tout de suite et maintenant sur cette émission. Amis auditeurs et auditrices de la FADA, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler du foot. Faire une chronique cette semaine sans parler du 7e ballon d'or de Lionel Messi, c'est vraiment rater sa chronique. Eh bien, le euh, 7e ballon d'or de Lionel Messi ou un ballon d'or contesté, c'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. Le 29 novembre 2021, certains fans du foot qui ont suivi avec intérêt la cérémonie du Ballon d'Or ont été déçus de l'annonce du gagnant Lionel Messi. Celui-là qui est considéré comme le roi du football se voit sa couronne contestée. Des grands noms du football comme euh, Lothar Matthäus, lauréat du Ballon d'Or en 1990, dans les colonnes du Mondo Deportivo, a dit Avec tout le respect que je dois à Messi ou aux autres grands joueurs nommés aucun ne l'avait autant mérité que Lewandowski. Certes, Messi a gagné la Copa América avec l'Argentine, mais à Paris, il est transparent. Quant à l'Espagnol Iker Casillas, il a dit C'est extrêmement difficile pour moi de donner du crédit à ce trophée. Le ballon d'or, bien sûr. Et à l'allemand, Tony Kroos, de renchérir en ces termes Ce n'est absolument pas mérité pour Messi. Il ne fait aucun doute que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont été les joueurs de la décennie. Mais cette année, il y en avait, il y en avait clairement des meilleurs le choix du Ballon d'Or a souvent fait polémique, mais cette année, la polémique a été de trop, ce qui a fait réagir Pascal Ferrier, rédacteur en chef de France Football. Il a contesté les accusations d'un Ballon d'Or 2021 au rabais dans une interview aux Parisiens. Il disait ceci Quand j'entends certains dire que le Ballon d'Or a perdu de son aura, de son crédit, parce que Léo Messi a gagné un septième Ballon d'Or, s'étouffe-t-il c'est de Léo Messi dont on parle, un des cinq plus grands joueurs de tous les temps. Selon plusieurs observateurs, cette année, le Polonais Lewandowski était le plus grand favori, comme il était déjà en 2020, avant que la cérémonie ait été annulée pour cause de Covid-19. L'histoire retiendra que Lionel Messi est le Ballon d'Or 2021, le premier joueur du Paris Saint-Germain à avoir ce trophée et surtout le premier à avoir sept ballons d'or. Bye bye, d'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. À l'instant T, c'était Olivier. C'était la chronique de l'émission Tous à la Fada et nous sommes à la fin. Qui dit fin dit dernier mot ni ni ni que labo katibi par la mort bah moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que euh, s'il y a des jeunes qui veulent se lancer dans le domaine, qu'ils se disent pas qu'il y aura une aide qui viendra d'ailleurs que de maman. Donc, euh, Imingay dit quoi. De beaucoup de maniga, au moins, ils sont là. Donc euh, voilà quoi. Mot de fin. Eh, bon, moi, ce que j'aimerais, je peux dire aux jeunes quand même euh, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, surtout côté de la mode, j'aimerais, si possible, on pourrait créer un collectif où on va se retrouver entre nous et essayer de d'écrire des lobes, de porter nos voix et ensemble voir qu'est-ce qu'on peut faire pour nous faciliter la tâche à nous-mêmes. Voilà ah. que les aides ne viennent pas. Ah, Ali, un dernier mot pour inciter le Nigérien à accompagner les jeunes stylistes, couturiers, peintres, ceux qui exercent dans la mode Moi, ce, ce que je peux dire, c'est de venir faire la curiosité. Parce que sans la curiosité, on ne peut pas découvrir. C'est comme un livre qu'un livre est là et déposé. Tu sais pas la mémoire qui est déposée dedans. Mais c'est quand tu prends, tu lis, tu vas découvrir, ah, il y a une phrase qui m'intéresse beaucoup ici, où il y a quelque chose, où il y a un chemin. Et quand vous restez à la maison, on dit il y a des activités, il y a des expositions, par exemple pour FIMA. Vous sortez pas, vous regardez pas, et vous restez à la maison. Il faut être curieux. Il faut être curieux. Irma, Aramade, Niger, créateur et stylistes bore kulkayango exercer mondo wora wallahi gogu du masaliyan masala yo mo gbar na masala yo kulo ni mere isi ga gu fatta matki yimada e zanke yo mo isi ba de kalnge mu niger labo mayo la parlamot neme no machino gana aranse haza wasala hey